premier point bi moi ñu indi li de lu depuis jeudi parce que ma intervention dama koy def uniquement sur l'aspect juridique c'est sama métier pour que sénégalais yi comprendre un peu parce que ñu y comprendre poursuivre nañu benn leader politique muy Sénégal comme tout le monde di membre du qui poursuivi procureur lu reproche koy moi, de viol et menace de mort Nous jógee aide procureur indiqué juge d'instruction toujours viol et menace de mort Nous ordonnance de renvoi yónnee ko devant la chambre criminelle ou le juger toujours pour viol et menace de mort en pleine audience le requalifier les faits donc c'est nouveau Nous nous requalifier les faits voire nous permettre ki nga formuler des observations dans le respect du l'union en droit du contradictoire mais loolu le sénégalais yi devant un dossier aussi sensible et aussi léger je me rappelle le 7 février, j'avais dit 2021. J'ai rendu visite à Ousmane ensemble chez lui. Et j'ai écrit qu'il n'y avait pas de viol et que je sentais la puanteur d'un complot. Sur ce point, je peux regarder tout le monde les yeux dans les yeux. Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de viol. Sénégalais yi a jàpp lu ngeen ko topé won te bind ko ci parquet bind ko ci instruction ñoo indi ko devant la chambre criminelle fait qu'il n'y a pas de viol on l'acquitte un point à la ligne waaye bëgg à tout prix rendre la personne inéligible créer une nouvelle infraction gis nga le droit on peut le tourner dans tous les sens def ci lu la neex waral nañu yem juste ci accusation bi yóbbu nit ñi devant la chambre criminelle ancienne cour d'assises acquitté quoi parce qu'il n'y a pas de viol Sénégal un petit kanam parce que est pour mais vouloir le rendre illégible, comme nous l'avons fait pour d'autres leur mot indi problème et nous l'avons koy parce que tout le monde nous regarde pays sénégalais c'est la risée du monde nous étions une vitrine démocratique mais vous aujourd'hui je pense qu'on a honte même de dire qu'on est sénégalais le F24 va poursuivre son travail pour que 2024 quest ce que a bokk à te ay galgal ak yooyu ñu troisième point parce que c'est continuité deuxième point bi bu ñuy des autorités policières des une conférence de presse à partir de données qui ont été dictées par des politiques c'est vrai qu'ils sont sur le terrain. ñun vite, quelque part on est sur le terrain Sénégal les mecs. gis qui ci lo en mars 2021, il n'y en sur le maintien de l'ordre public Pour la la sécurité privée des personnes et des biens l'ordre public ce n'est pas de ressort de privé jël ay personnes yoo les que nekkuñu policier nekkuñu gendarme nekkuñu force de défense et de sécurité a une ay armes rappelez les nervis jox ay pick-up on les a vus. ni ci policier, policiers di génn kenn le devant les gendarmes Ils tirer sur la population Si ñu nee ils racontent leur vie et dans la conférence de presse hier, on voit ci mais on voit des photos de l'ennemi, c'est des gens qui sont mêlés c'est des forces occultes et pourtant ces pick-up là ont pris départ devant la permanence de la paix j'appelle le procureur à me convoquer, comme nous me convoquer à lui. Je lui donnerai les images. Qu'est-ce qu'ils font là-bas Les forces de défense et de sécurité pour les citoyens, pour le Sénégal, quittent les commissariats, les camps militaires, la gendarmerie pour accomplir leur mission. Pas devant dans une permanence politique. Les plaques d'immatriculation, on va les donner. L'enquête sera là devant le juge d'instruction qui va approfondir. Donc,

ak fayda mais on ne m'a pas accusé de malversation financière de 6 ans et éventuellement quatre vingt milliards loolu du monde. mais bu dëgg jotee noppi si kër j'ai quitté le fond en travaillant pour le Sénégal et non pour l'homme ceux qui travaillent pour l'homme ils sont là pour des privilèges c'est la raison pour laquelle je termine sur ce deuxième point pour dire que ces nervis-là n'ont rien à voir un ami journaliste me disait ce matin, quelle est la différence entre nervi et agent de sécurité Je me c'est très simple. Un agent de sécurité, il assure la sécurité des personnes et des biens sous forme soit Chaque jour, pour secret, nous gère ses biens, ou la sécurité en tant que comme politique Un nervi, c'est celui qui est payé pour faire de basses, des, des, de des manœuvres, des rails, satire, Un agent de sécurité, c'est pas ça son boulot. C'est ça aussi qui est là. Je pense que nous avions aussi un contrat de 45 milliards. Je pose une question très claire. De toute façon, la CPI viendra expliquer clairement lorsque les personnes qui sont décédées inutilement, le dossier nous parviendra. Troisièmement, et dernière position, gis nga fii neewoon nañu Abdou Diouf président Abdou Diouf n'est pas un n'était pas un homme de poids nous gérer réew mi yore na réew mi 17 ans am na lu fi def moi le président Abdoulaye Wade bo mu ñëwé ñu ni amul karaw ñu réew mi le président Macky Sall ba mu ñëwé le président Abdoulaye Wade avait dit sama élève deux mois on n'aura plus de salaire nul n'est indispensable vous pare la président Macky Sall tout man mii on sait ce qu'on a vécu en 2012 avec de Diop ce vendredi 27 janvier 2012 le jour où le conseil constitutionnel de rendre sa décision mon mon de on était sur la place de le ministre Vous faites que nous ensemble contre notre troisième mandat waroon na jógee feneen da mu fekk pas yi nga xam ne ñoo ko xeex comme le président Macky Sall et d'autres j'ai entendu le 31 mai dernier en plein dialogue national parce que je suis parti au dialogue li ma bëggoon dégg dégg naa ko le troisième mandat fait partie des débats bu ko waxoon bokk ci ma jóg ngir dem sama yoon on m'a privé de parole je parle au ministre de l'intérieur qui n'a pas été sérieux parce que jël ce sama nom j'ai dit que je vais parler mais quand je suis devant le président j'ai dit celui-là ne parlera pas ça ne m'arrange pas Je ko Ça, ci si je ne du mais quand j'ai entendu le président de la République dire je ko ci de ñu que pas ko ko ne la pas j'ai l'impression qu'on a fait des choses en 2012 pour rien Les parents ni un ñi àndaloon ak man en 2012 xam que si vous un faire un référendum voté bi il savait que j'avais droit à un autre mandat à partir de 2024 faux archi faux c'est de l'escroquerie politique j'ai fait de j'ai voté lui j'ai fait voter lui nous ñun que le MI su ngeen voté j'aurai droit à un autre mandat 2024 je ne ma pas voté ñàkk ma fay keneen voter ko voté le référendum alors bu un argument pour sax mën ne ko accepter un peu c'est n'importe quoi mais acceptable pourquoi avoir dit le 31 décembre donc deux ans après 2016 2024 si ma de sama 7 ans avec cinq ans il faudra partir qui s'est compris. Pourquoi l'avoir écrit dans un bouquin Donc l'argument ne tient pas. Mais j'ose croire encore que nid en disant que Makhol ma Lenko, il est en train de tanguer. il demeure ben, ici, moi je l'aime. Par exemple, c'est Nyari Raka, c'est ça le Sénégal. Et je pense que je vais me limiter là. di remercier journalistes yi fi toog yëpp di xam ne tamit le Sénégal benn bopp la du ma jeexal te waxuma kilifa diine yi nañu génn wax parce que y a un silence la bu ñu xaar ba yëf yi gën a egg fu mu war a egg ñu naan suma xamam il faut qu'il parle c'est ça aussi le Sénégal maa ngi leen di gërëm di sant. merci beaucoup maître ñu jox la parole à suñu jigéen